Euh, je m'appelle Céline je suis assistante sociale et je suis euh, présidente de l'association Chemin de la Réussite. Euh, je suis avec les membres du bureau de l'association. Nous venons de vivre vraiment un événement, un événement qui depuis quelques années, nous l'organisons grâce à l'appui du CAIDAS, les épouses des ambassades. C'est un objectif qui part d'un besoin, un besoin des populations, surtout des femmes chefs de ménage qui ont de petits commerces dans Grand Dakar, euh, qui vivent de ce petit commerce-là. Euh, les revenus varient entre 20 et 50 000 par mois. Donc vraiment, il euh, y a un besoin qui est là de les appuyer pendant cette période de Ramadan. au niveau de notre association, nous avons comme idéologie que la solidarité doit partir du pas de sa porte. C'est pour ça que nous, euh, au niveau de Grand Dakar, nous avons commencé à réfléchir comment nous pouvons appuyer ces femmes qui sont vulnérables, qui sont des chefs de ménage, des veuves euh, à charge de plusieurs enfants, euh, avec des, des, femmes qui ont, les maris qui ont démissionné, des, des femmes divorcées avec plusieurs enfants des femmes euh, qui ont des maris chômeurs, donc euh, qui ont des enfants et qui sont là, qui se euh, débrouillent chaque jour, quotidiennement, pour leur pain. Donc, en ce mois béni de Ramadan, nous nous sommes dit que nous pouvons faire quelque chose. Et heureusement que le bon Dieu nous a entendus. Et avec les femmes de Kaidas qui nous accompagnent depuis plusieurs années qui nous font confiance, nous, avons pu développer avec elle deux aspects euh, développés dans notre association, c'est-à-dire la solidarité ramadan pendant le ramadan, la solidarité euh, euh, pour l'éducation avec des fournitures scolaires à chaque rentrée des classes. Ils nous donnent des, fournitures scolaires pour ces femmes, pour que les enfants puissent vraiment être, voilà, être bien à l'école, apprendre pour enfin, plus tard peut-être, que ce soit euh, une sortie de la pauvreté pour ces femmes qui sont des chefs de ménage. Voilà, aujourd'hui vous avez donné beaucoup de dons. Oui. On sait que c'est nombreux et ce n'est pas évident de, pouvoir acheter tout cela. Comment est-ce que vous en sortez Quels sont vos partenaires et le montant global vous revient à combien oui, on a donné à hauteur de 2 500 de dons avec euh, des vivres de première nécessité, euh, mais nous, notre association, vraiment, nous n'avons pas de capital, nous n'avons pas d'argent, nous avons que les cotisations des membres. Mais nous avons un grand cœur pour donner. Nous avons un grand cœur pour recueillir les dons et les donner avec l'assistance des partenaires. Parce que les partenaires sont là, on donne au devant ces partenaires et ils euh, assistent à cela. Parce qu'actuellement, dans le contexte où nous sommes, il y a tellement de, gens qui, euh, qui prônent euh, l'altruisme. Or, c'est un intérêt personnel. Donc, nous, c'est ça qu'on combat. Nous, nous avons une bonne gouvernance au niveau de notre association. Et les dons que nous donnons, c'est en présence des partenaires que nous le donnons. Et ça va directement aux nécessités

da ngay xam jafe-jafe ñu bari yo xamné ne sutura duñ ko mëna wax ci kaw donc da ngay gis ne ñu bari dañuy am ay jafe-jafe ci seen kër si seen dundin ci seen quotidien wa ci seen sey ci ci yu bari dal lé nak ci lool nak lañu tok ma wo sama am di jami yi ne leen kaay leen ñu xol ñu wara mëna def ñom tamit ñu japp ci bu baax dëgg yalla amuñ ci ben intérêt ñu tok xelaat ñu def projet Euh, projet ñu def ñu ne ñu dañuy jàppale daara yi donc muy solidarité avec les daara def nañ fi benn action waa témoin sax génne nañu article si loolu def nañ fi euh, solidarité santé benn consultation gratuite bu ñu fi defoon euh, avec un partenariat avec le CCA de parcelle Assainies donc am na aussi solidarité Ramadan mooy femme Kayda si ñooñu si accompagner solidarité aussi éducation bi aussi